the forum district the forum district kalam group the forum district kalam group the forum district kalam group the forum district kalam group the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Distudio studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Distudio studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, quaratagi FM 90.9 MHz et Challenge FM 87.6 MHz, notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posé régulièrement. Aujourd'hui, le forum du Kalangou s'intéresse au bilan de la campagne agro-silvo-pastorale 2017 au Niger. Dans une communication faite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage au Conseil des ministres du vendredi 19 janvier 2018, il ressort de façon générale que la campagne agro sylvopastorale et hydraulique d'hivernage 2017 a connu un démarrage précoce dans presque toutes les régions comparativement à celle de 2016. Promoteuse jusqu'en fin juillet, la pluviométrie a été marquée par des séquences de chasseresse euh, plus ou moins longues par endroit, des fortes précipitations et surtout l'arrêt des pluies dans plusieurs localités alors que les cultures sont au stade de floraison. Avec nous dans ce studio pour euh, développer ce thème, Ida Yakuba de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Ida Yakuba, euh, bonsoir. El Haj Al-Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger Kapan. El Haj Al-Mansour Mohamed, bonsoir. Nous avons également invité un représentant du RECA. Le RECA, c'est le réseau national des chambres d'agriculture du Niger, mais euh, ce dernier n'est pas encore dans nos studios. Selon les termes de la communication du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, la situation alimentaire est actuellement satisfaisante dans toutes les régions du Niger. Cependant, les prix du mil, du sorgho et du niébé sont en légère hausse comparé à la même période en 2016. Sur les 12 384 villages agricoles, 3 867 villages, soit 31%, sont déclarés déficitaires à plus de 5 50% pour une population de 4 600 914 habitants. S'agissant de la situation pastorale, le bilan global de la production fourragère par département est évalué à 15 785 634 tonnes de matière sèche. Sur cette base, le bilan fourrager global en comparant les besoins globaux théoriques euh, du cheptel résident fait ressortir un déficit d'un peu plus de 10 millions de tonnes de matière sèche, soit 41%. Et de Yakouba, de la Direction générale de l'agriculture du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, quelles sont les localités déclarées déficitaires au Niger Comme vous l'avez dit, nous avons près de 3800 villages déficitaires. Ces 3800 et quelques villages Fister sont répartis sur l'ensemble des 63 départements du Niger. Il n'y a aucun département où on n'a pas dénombré un certain nombre de villages Fister. Mais ce qui est plus marquant, c'est notamment la zone euh, de Difa, où nous avons des villages qui n'ont pas du tout semé pour des raisons d'insécurité. Nous avons la zone nord, nord-est d'Agadez, Bilma, où, en tout cas, la situation est assez tendue là-bas parce que les pratiques culturelles qui sont en train d'être développées, en tout cas, les gens n'ont pas eu suffisamment de moyens pour le faire. Nous avons le département de Tawa, où là aussi la situation est assez préoccupante, où il faut vraiment un suivi assez sérieux sur la situation alimentaire dans les prochains mois. Nous avons le nord de Tilabiri, où là aussi la situation c'est dû à l'effet d'insécurité et de rupture des pluies. C'est pas uniquement la floraison, mais c'est un épiaison, épiaison floraison. Parce que c'est ça, en fait, qui a un peu marqué la situation agricole de cette année. Sur le plan pastoral, nous avons vraiment des zones assez de préoccupation majeure dans le département de Bermou où en août, vraiment le sol est presque nu. C'est assez préoccupant dans cette zone où les animaux seront obligés soit de remonter vers Ingal, où il y a suffisamment de pâturage, ou descendre vers euh, nos voisins. Parce que, à vous dire que la zone agricole. Nos voisins vers où Vers euh, le Nigeria, en tout cas, c'est pour pouvoir pallier à ce déficit fourragé. Il faut aussi dire que malheureusement, malgré les dispositifs réglementaires qu'on a eu à mettre en place pour promouvoir le privé, le privé n'accompagne pas parce que les gens attendent que l'État achète tout. Alors que si nous avons des importateurs et des distributeurs de ces produits, tant vivriers que fourragers, notamment les sons de blé, les tourteaux, etc. En tout cas, nous pouvons juguler le phénomène. Mais malheureusement, tout est attendu de l'État et c'est un peu difficile. L'État a programmé un programme de contingence pour appuyer les zones déclarées déficitaires, mais toujours est-il que ce serait insuffisant ils seront obligés en tout cas de se déplacer, comme je l'ai dit tantôt, vers le nord, où on a enregistré en tout cas suffisamment de production fourragère, ou vers le sud, euh, vers euh, nos voisins, le Bénin, le Nigeria, pour juguler cette situation. Il faut aussi souligner que la production alimentaire euh, en général connaîtra peut-être euh, un certain nombre de tensions. Vous avez constaté les prix sont assez élevés. Ceci est dû généralement et surtout particulièrement à l'effet conjugué des interventions de certains opérateurs qui ont constaté que l'État a mis en place un dispositif d'achat locaux, c'est-à-dire d'acheter directement aux producteurs. Mais malheureusement, ces gens-là, ils sont partis, ils ont mis la barre plus haute que les prix proposés par l'État. Donc euh, c'est tout à fait normal que cette tension-là, en tout cas ce niveau est assez élevé de prix, soit constaté. Et ça va se poursuivre parce que ils sont des, en tout cas les opérateurs, ils ont investi beaucoup pour euh, essayer de contrecarrer en tout cas les, les dispositifs mis en place par l'État, notamment à travers la CCA, à travers le PAM on a une stratégie d'achat locaux. pour malheureusement, ça n'a pas suffi pour assez stabiliser le prix. Ce que nous souhaiterons, en tout cas, nous pensons que le déficit qu'on a constaté puisse être atténué par euh, les importations, notamment en provenance du Mali et du Burkina par rapport au mille Et pour le sorgho, le maïs également, dans ces zones et particulièrement la République fédérale du Nigeria, où nous avons quand même une grande euh, frontière assez longue où les populations font des échanges et nous pensons que cette situation, en tout cas s'il n'y a pas eu de perturbation particulière, peut atténuer notre situation alimentaire. Idéa Kouba de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage, quelles sont les causes de ce déficit enregistré en 2017 les causes, euh, comme je l'ai dit, c'est des causes multiples. Où nous avons un arrêt brusque au stade euh, et les floraison, où en tout cas tous les Nigériens avaient l'espoir que la campagne serait très bonne du point de vue de la phytosanitaire. Le La phytosanitaire, ça veut dire qu'il y a eu moins d'attaques d'ennemis de culture D'ennemis de manifestation, d'ennemis de culture qu'auparavant. Et nous avons également est-ce que c'est parce que l'État a injecté des moyens ah oui, l'État a suffisamment injecté des moyens parce que j'allais venir pas à pas. Comme j'ai dit, nous avons l'arrêt brusque des pluies à, la période, à des périodes très critiques. Et puis ils ont raison. Des fois, c'est la montaison. Quand vous prenez la bande sud du département de Bagarois, le mil a séché vraiment au stade montaison où il y a les tiges, euh, ça a complètement séché. Vous avez le facteur le plus important que nous avons, c'est le lessivage des sols. des sols. où nous avons en grande partie des sols assez sableux. Malheureusement, ça fait plus de 100 ans que les gens exploitent les mêmes terres, mais ils exportent, mais ils n'apportent pas. Avant, c'est le package le système de package, vous louez les services d'un éleveur, il vient séjourner. Maintenant, il n'y en a plus cette possibilité parce que les gens ne produisent même pas suffisamment pour manger à plus forte raison, euh, avoir les services euh, des autres. Maintenant, le, troisième facteur, nous avons des zones où les gens ils n'ont pas pu semer parce que tout simplement, il y a l'insécurité. C'est notamment le nord de Tilaberi, la région du Difa, où nous avons près de 80% des villages qui n'ont pas semé. Mais il faut souligner que, comme vous l'avez dit, l'État a mis beaucoup de moyens. Nous avons injecté près de 7 milliards pour l'acquisition euh, acquisition de semences. Et les semences euh, de plus de 10 000 tonnes, ça fait 9 987 tonnes que nous avons en tout cas mis à la disposition des villages déficitaires. Et nous avons un réseau d'entreprises euh, semencières qui sont réparties dans l'ensemble du Niger pour offrir les semences de qualité aux producteurs. Malheureusement, ces semences-là, comme je l'ai dit, le mille a un peu monté, bon, en montaison, en floraison, et floraison, et puis il y a eu un arrêt brusque des pluies. Alhaj Al-Massour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan, quelles sont les autres difficultés rencontrées par les pasteurs les difficultés rencontrées par les pasteurs sont de plusieurs ordres. Il y a euh, cette question dont on ne parle pas tellement, la question de la sécurité et la question des changements climatiques en lien avec euh, les crises récurrentes et les sécheresses récurrentes qui font en sorte que ça influe sur euh, la production et la productivité pour les éleveurs. Si vous comparez la situation pastorale de 2016, 16-17 à celle de 17-18, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une très grande différence n'est-ce pas Parce que en 2017, nous avons 16-17, nous avons un besoin, un déficit de autour de 12 millions de, tonnes de matière sèche. Actuellement, nous, avons, sommes autour de 11 millions. C'est vrai, euh, comme l'a dit le directeur, euh, le représentant de la direction générale de l'agriculture, la différence c'est qu'il y a des zones où l'an passé il y avait un peu de fourrage, mais il n'y en a plus maintenant. C'est le cas, par exemple, de, la zone de Bermo. La zone de Bermo aujourd'hui, c'est un cas euh, qui doit attirer l'attention parce que les éleveurs, j'étais en contact avec nos répondants, les éleveurs sont partis soit au, au Nigeria, ils vont soit au Nigeria ou au Tchad. Maintenant, avec toute euh, cette situation d'insécurité, oui, oui, avec toute cette j'allais venir peut-être par rapport aux, solutions. L'autre aspect par rapport même à la situation, n'est-ce pas, actuelle où nous avons un déficit autour de 11 millions de, temps de, matière sèche, vous avez dans la, de, dans la région normalement vers le départ, ouest département de là-dans jusqu'à la frontière, où vous allez voir le mouvement des pasteurs, même ces d'engal vont là-bas, il y aura une concentration, contrairement à l'an passé où la concentration était à Bermo. Cette année, la concentration serait au nord Tawa, jusqu'à euh, la frontière malienne. Et là aussi, c'est une zone d'insécurité. Et là aussi, c'est une zone d'insécurité. Et, vous voyez que les éleveurs sont entre plusieurs euh, corridors quoi, d'insécurité. Vous avez le Nord Mali par là. Vous avez le Boko Haram au Nigeria. Nous sommes entre deux feux, deux corridors d'insécurité. Et cela va nécessairement impacter sur la mobilité pastorale. Parce que l'élevage aujourd'hui ne peut vraiment prospérer qu'à travers la mobilité des éleveurs, à la recherche de pâturage, à la recherche de l'eau, etc., etc. Et c'est là où, dans le cadre de réflexion, je pense que euh, le ministre de l'élevage va réfléchir dans ce sens, la question des conflits ruraux. Parce que quand vous prenez le cas de Banibongo, au nord de Banibongo actuellement, où les éleveurs sont descendus très longtemps vers le sud, parce que le long de la frontière, c'est un homme slam, c'est toujours des et des crimes de vol, des rapes. Et les éleveurs sont maintenant autour des zones agricoles où souvent ça peut créer une question d'insécurité ou de conflit. Donc nous sommes face aujourd'hui à cette situation d'insécurité couplé à cette question de déficit fourrager, vous voyez, c'est des préoccupations euh, du mon point de vue national. Et l'insuffisance des points d'eau. Et la question de l'hydraulique. Parce que ce qui se passe, nous l'avons toujours dit, qu'il y a des zones, il faut viabiliser souvent les frontières et les sécuriser. Parce que souvent, euh, parfois, c'est au, niveau de ces frontières-là que nous avons des pâtirages. Quand tu prends le nord, les frontières, que avec le Mali, etc., les erreurs vont là-bas avec tous les risques. C'est parce que, naturellement, parce qu'il y a des pâtirages. Et ces frontières-là, il faut qu'on ait une stratégie au niveau national de la viabilisation des frontières. Il faut d'abord qu'on sente qu'on est sur nos frontières à travers l'hydraulique pastorale, à travers certaines infrastructures, etc. Et puis, les sécuriser. Et ça permettra aux éleveurs euh, peut-être d'éviter de, se rabattre vers les zones agricoles proximes ou aller euh, risquer leur vie au Nigeria, au Tchad, ou là-bas aussi, c'est d'autres formes d'insécurité, aller avec Boko Donc comment aujourd'hui faire en sorte que là où il y a le pâtirage, qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait l'eau pour que les éleveurs pasteurs, n'est-ce pas, ne risquent plus leur vie en allant vers le Nigeria ou vers le Tchad ou vers le Mali, où il y a la question aujourd'hui du terrorisme au Sahel qui peut impacter négativement sur la question de mobilité et sur l'éducation des pasteurs de somme. Maintenant, par rapport à, la, à cette question de déficit alimentaire, là, c'est sûr, ça va impacter également les éleveurs pasteurs, n'est-ce pas Aujourd'hui, quand vous prenez le Tesker, vous avez le sac de 1000 de 40 à 24 000. Quand vous prenez ici à Bani Bangou, le sac 10 000 de 40 est à 28 500. Quand vous prenez Bermo, actuellement, la TIA a fait 750 fois 40, vous avez un sac à 30 000, n'est-ce pas Et à Tandou, c'est 22 000. Mais c'est maintenant, à Tchantabarana, c'est 23 500. Et aujourd'hui, avec cette question de la loi de finances, avec cette question aussi de la cupidité des commerçants qui profitent souvent de certaines situations, je suis sûr que d'ici le carême bon avant, ces prix vont monter. Et quand ils vont monter aujourd'hui, les, animaux ne se vendent pas comme, comme le souhaitons. Et l'émile va au moment où les animaux ne, ne, se vendent pas bien en lien avec la question du forage, etc., les qui est l'aliment de base des éleveurs pasteurs, grimpe. C'est là où nous voulons l'intervention. C'est vraiment l'intervention de l'État par rapport pour stabiliser, prix. pour stabiliser les prix d'aliments pour les hommes et pour les aliments bétail. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut laisser ce marché ouvert à certains commerçants, qu'est-ce qui va se passer Ils vont vous apporter des, aliments bétail de pire qualité. Ils vont vous, vous importer n'importe quoi. Et c'est pourquoi nous, nous, en, nous, en tant que collecteurs des éleveurs pasteurs, nous encourageons l'État à intervenir pour quand même stabiliser les prix, pour que l'aliment bétail soit à la portée de l'éleveur pasteur. Par rapport à la, disponibilité. Soit disponible et accessible, parce qu'il y a deux mots, disponible et accessible. Parce que vous pouvez placer l'aliment bétail à une distance où l'éleveur va procurer 100 km pour payer un sac de 40 à 5 000, etc. Et vous l'énergie qu'il est en train de Alors qu'il faut rapprocher, en fonction en tout cas des ordres de concentration, etc., en fonction des nécessités, de voir comment rapprocher ces aliments bétail à ces éleveurs pasteurs. Parce que l'élevage aujourd'hui, c'est l'une, y compris l'agriculture végétale, etc., c'est l'une des ressources sur laquelle l'élevage, notamment, le Niger doit compter. Nous ne pouvons pas compter sur l'uranium, parce que vous voyez maintenant le prix de l'herbe, etc., etc., Mais l'élevage, aujourd'hui, c'est une source sûre que nous avons héritée à travers les vaches. C'est l'une des de l'économie nigérienne, comme on a l'habitude, on a coutume de le dire. Qu'il faut sécuriser, qu'il faut sécuriser et créer les conditions pour que cette activité prospère, pour qu'aujourd'hui, à travers les chaînes de valeur, pour que chacun profite, et que chacun profite de, à partir de l'éleveur lui-même, de, de revendeur, de bouchers, etc., etc., de la transformation de ceci, cela. Il faut qu'on valorise tous ces produits-là et ne pas se mettre dans une position où l'élevage, là, où les animaux appartiennent à celui qui les élève. Non, ma conception, c'est que les, les animaux aujourd'hui, les bêtas nigériens, appartiennent, appartiennent à l'État. C'est notre richesse nationale qui mérite d'être sécurisée. Oui, El Al-Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger. Quelle est la situation sanitaire du cheptel au jour d'aujourd'hui c'est une question qu'il fallait poser à la, DGPA, à la direction de la santé animale. Mais nous, nous venons récemment du lancement de la, de la campagne. Dans la région de Dosso. Dans la région de Dosso. Et récemment aussi, on était à la réception des vaccins. Je pense que les équipes Aujourd'hui, tout ce que je peux dire que le ministère en charge de l'élevage, n'est-ce pas, a actionné en tout cas la question de la vaccination sur toutes les tentatives du territoire national. Maintenant, on attend le moment opportun, le bilan de leur activité. Sinon, la campagne est lancée et nous réjouissons qu'elle soit lancée. Et euh, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Est-ce que la campagne est lancée au bon moment oui, généralement, la, la, campagne euh, commence pendant cette période de froid. Parce que vous savez, la question des produits, etc., etc., qui méritent euh, une, sorte de conservation, généralement, les, agents du ministère de l'élevage commencent la vaccination pendant euh, cette période de janvier, février, ou, etc. Mais euh, ce que j'allais dire par rapport à cette question, c'est de suivre, surtout par rapport à la santé animale, suivre là où il y a la concentration d'animaux, là où convergent les animaux et les hommes. D'ailleurs, même pas seulement suivre la santé animale, mais aussi suivre la santé humaine, parce que c'est des personnes qui viennent de partout. Et si vous vous rappelez la question de cette maladie euh, du Bénin, etc., je pense que nous, devrons mettre l'accent, ou, le pouvoir public doit mettre l'accent sur la surveillance de la santé, non seulement humaine, mais animale, là où il y a la concentration d'animaux. de Yakuba de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'élevage. Quelles sont les difficultés rencontrées cette année par les agriculteurs Avant de répondre à la question, je vais assez un peu faire un commentaire par rapport à l'intervention de nos collègues. Je pense que la question de l'alimentation du bétail, c'est une question assez sérieuse. C'est une question qui doit préoccuper et le privé et l'État. C'est pour ça que moi j'avais dit dans mon intervention que les mesures d'importation, en tout cas de fait du commerce, les mesures sont allégées. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, les gens, leur clients, c'est l'État. Or, quand on veut promouvoir une activité, je pense qu'il faut mettre le privé. Il avait développé, il a dit qu'il faut euh, faire la question des chaînes de valeur. Effectivement, la question de la, des filières, c'est les, les importateurs d'intrants, les producteurs, les transformateurs, etc. Donc, c'est des efforts conjugués qu'il faut faire. Maintenant, sa préoccupation par rapport à la qualité des aliments du bétail, c'est lutter pour que l'État prenne des mesures pour vérifier la qualité des aliments qui rentrent au Niger. On est déjà en train de faire ça au niveau de l'agriculture où nous allons mettre sur le corridor, en tout cas des laboratoires assez mobiles, pour pouvoir analyser les produits qui rentrent. Maintenant, comme les Nigériens aiment trop frauder, c'est les fraudes qu'on ne peut pas maîtriser. Mais il faut conjuguer et les efforts de l'État et les efforts du privé pour promouvoir notre élevage. Moi, je pense que c'est très important. Et s'agissant de des difficultés rencontrées par les, les agriculteurs en 2017 ah, je n'ai pas encore fini. Par rapport euh, à la vaccination, moi je pense que la vaccination, ce qui est important par rapport à cette opération, c'est la mobilisation des acteurs. Parce que si les gens ne sont pas mobilisés, des fois il y a d'autres personnes qui disent Ah, si vous amenez tout à la vaccination, on va vous taxer sur vos animaux, etc. Donc il faut informer les éleveurs que c'est gratuit il y a un projet, le PRAPS, qui soutient l'État dans cette perspective. Je pense que votre, le rôle de l'association des pasteurs, c'est la mobilisation pour que chacun puisse amener son cheptel à la vaccination. Le deuxième élément, nous avons enregistré ce que le Niger était déclaré indemne de la peste et de la péripulmine. Malheureusement, cette année, nous avons eu quelques foyers. Et ces foyers-là ont été circonscrits mais toujours est-il que c'est parce que les gens ne déclarent pas à temps les manifestations. Parce que quand on constate une maladie que tu, ne connais pas, il y a certaines personnes qui n'ont jamais connu la peste des petits ruminants. Malheureusement, on l'a observé. Et je pense que c'est ça que je voudrais faire des commentaires par rapport à son intervention. Par rapport aux difficultés rencontrées par euh, les producteurs, les les agriculteurs, en fait, les difficultés sont multiples. D'abord, euh, au niveau de l'écoulement de leur production. Des fois, euh, il n'y a pas un, système financier qui puisse leur permettre de ne pas brader à temps leur marché. Il y a d'autres, c'est au verre qu'ils vendent. Vous avez un commerçant qui vient, j'achète ton champ ah, sur pied. C'est pas récolté, les gens interviennent pour euh, la le deuxième élément, c'est que on a mis en place euh, un système d'approvisionnement en engrais. Et ce système-là, en tout cas, le niveau des prix qu'on pratique, certaines pas, ne sont pas suffisamment euh, riches pour pouvoir accéder à ces produits-là. Donc, c'est par rapport à ça euh, comme difficulté majeure. Troisième difficulté, c'est que quand on veut promouvoir euh, une activité agricole, agricole avec A, il faut de la technicité. Il faut des conseils. Des conseils. Malheureusement, notre dispositif d'appui conseil, en tout cas, n'est pas assez fourni et nous n'avons pas suffisamment de cadres. Je pense que même à l'élevage, il n'y en a pas. Pour pouvoir accompagner les producteurs dans leurs euh, exploitations agricoles. Nous avons quatrième euh, difficulté que nous avons relevée, c'est par rapport euh, à cette cohabitation. Même si c'est eux qui sont en même temps éleveurs et producteurs. Hein. Mais il y a toujours une tension qui a comme une tension au niveau de la cohabitation entre les producteurs, les éleveurs, en tout cas les agro-pasteurs et les. Parce que moi je les appelle des agro-pasteurs, ils font de l'actuel du pastoralisme. Et ces gens-là, ont des difficultés pour cohabiter. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont des difficultés Nous avons un code rural qui est mis en œuvre en 1993. Malheureusement, on n'a pas suffisamment, enfin, pas travail, on n'a pas suffisamment de moyens pour faire les schémas d'aménagement foncier. Parce qu'il était prévu dans les principes du code rural que chaque région puisse classer les zones par vocation. Quand tu fais de l'élevage, tu fais de l'élevage. Quand tu fais de l'agriculture, tu fais de l'agriculture. Malheureusement, jusqu'à présent, en tout cas, euh, les SAF ne sont pas élaborés. Je pense que Dosso a commencé. Et ça va se poursuivre. Les autres régions ont commencé par département. Mais toujours est-il qu'il manque l'accompagnement des PTF pour, en tout cas, faire euh, un modèle de développement. Parce que les SAF peuvent réduire substantiellement les conflits. Le, schéma d'aménagement foncier. Je reviens sur l'élevage. J'ai oublié un point qu'il avait soulevé par rapport à, rapidement. au niveau de, du développement des zones frontalières. Effectivement, pour un bon bout de temps, l'État n'a pas pris soin de mettre en place un dispositif de développement. Quand vous prenez les autres pays, c'est jusqu'à la frontière, les gens font des écoles et des, des, forages. Moi, j'étais euh, dans la zone de Terra jusqu'à Tindjimi. Nous avons, en tout cas, il y a une mission qui est actuellement en cours pour réfléchir pour comment viabiliser et développer les zones frontalières. Parce que c'est le Niger seulement qui. Les autres travaillent. En tout cas, si ce n'est pas tout récemment, on n'a pas pensé à cette question. On a juste pensé à limiter les frontières mais les autres dispositifs d'accompagnement n'ont pas suivi. Alhaj El-Massour Mohamed, secrétaire général du collectif euh, des associations pastorales du Niger Kapan, vous avez certainement ajouté quelque chose Oui, par rapport à la question des conflits ruraux entre agriculteurs et l'hiver, s'ils sont exacerbés quelquefois, c'est en lien aussi avec la question aujourd'hui cruciale de l'accaparement des terres même les terres agricoles. Imaginez-vous un paysan qui n'a pas une terre, pour cultiver. Quand vous prenez la zone des maladies, il y a beaucoup qui sont dans des, champs d'autrui. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, mon point de vue, il faudrait que chaque agriculteur doit avoir une portion de terre pour cultiver. Et je pense que l'État doit créer les conditions pour que euh, cet, agriculteur-là puisse vivre de cette activité qu'il a héritée depuis ses grands-parents autres. Maintenant, quand tu parles de la question de l'élevage, aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces connus que ce soit au niveau de communes ou autres, aujourd'hui qui, sont, qui ont changé de vocation. Vous parlez de l'accaparement des terres. L'accaparement des terres, une, une, aire de pâturage ou un couloir de, un, un couloir de passage destiné à, l'élevage, par exemple, qui change de vocation. Soit on construit une école, soit on, on, le morcelle, etc. Mais les, éleveurs aussi, de mon point de vue, c'est ce qui fait souvent. Il y a une sorte de clivage ou de, de problème entre ces deux activités-là. C'est-à-dire qu'on ne crée pas il faut qu'on développe des stratégies pour que ces deux activités puissent coexister conformément à l'ordonnance 015, n'est-ce pas, sur la question du code réel, n'est-ce pas, pour que ces deux activités coexistent. Et il faut forcément qu'elles coexistent parce que l'une ne peut pas, de mon point de vue, émerger sans l'autre. Et tous ces Nigériens, il faut qu'on crée les conditions pour que ceux qui, font de, ceux qui font l'élevage, n'est-ce pas, aient des terres sur lesquelles vont pratiquer leur activité euh, de l'élevage, ceux qui ont sur l'agriculture également. Et puis sécuriser tous ces espaces-là. Si c'est un espace agricole, il faut sécuriser. Il faut sécuriser même les paysans. Là où, par aujourd'hui, quand vous prenez les, terres pastorales, on dit que c'est le domaine public de l'État. Donc, personne, un privé, personne ne peut s'en approprier, etc. C'est vrai, mais parfois, les gens se les approprient à travers les chefs du village, etc. Mais même les terres agricoles où tu peux vendre ta, ton champ, là même l'État, de mon point de vue, doit sécuriser cet éleveur-là, cet agriculteur-là. Parce que le pauvre, voilà une, une firme ou, un grand commerçant ou je ne sais pas qui a de l'argent, je ne sais pas d'où, veut lui, lui remettre quelques millions qu'il va prendre. Cinq ans après, il devient une charge, il devient vulnérable pour l'État. Je pense que nous devrons sécuriser nos agriculteurs. Il faut les sécuriser. Il faut faire en sorte, créer les conditions pour que les terres qu'ils cultivent ne leur soient pas arrachées de façon euh, frauduleuse, entre guillemets, parce que c'est un commerçant qui vient, il a des millions, il te donne, etc. Pour l'élevage également, les terres dédiées à l'élevage, il faut aussi les sécuriser. C'est là où la question aujourd'hui de la communisation, les communes, c'est là où il y a des problèmes, des préoccupations. Parce que les communes, souvent, certaines sont souvent au cœur des problèmes. Elles-mêmes, elles, créent des problèmes. Elles ne, font pas en sorte que euh, de créer les conditions pour que ces activités-là coexistent, pour que les espaces destinés à l'agriculture soient sécurisés, les levages soient sécurisés, que les deux communes, etc., etc. Mais vous allez trouver des communes, etc., qui sont impliquées dans l'accaparement ou dans le morcellement, etc. etc. Al-Mansour Mohamed, secrétaire général du CAPAN, euh, par rapport à la campagne de vaccination, est-ce que euh, les pasteurs, les éleveurs sont suffisamment sensibilisés pour une meilleure campagne euh, de vaccination du cheptel Je pense que la campagne n'a pas commencé cette année. Je ne vais pas dire suffisamment, mais les éleveurs pasteurs sont sensibilisés. Vous savez qu'il y a des programmes depuis un certain temps qui accompagnent ces, ces activités d'élevage. Quand vous prenez le PRAPS, qui, en partie, euh, a contribué à ces, vaccins-là. Vous avez les actions que le PRAPS, à travers ses antennes régionales, font en rapport avec nos organisations pastorales, n'est-ce pas, font pour la sensibilisation, etc. Et comme il a dit là, je reviens par rapport aux, moyens. C'est là où j'insiste, il faudrait, de mon point de vue, renforcer les capacités des, agents techniques au niveau de l'agriculture, au niveau local, de l'élevage, c'est-à-dire que les services techniques de proximité, là, il faudrait qu'ils aient les moyens quand un, service technique n'a pas de moto, n'a pas d'essence, n'a pas un véhicule pour sortir, pour intervenir, pour aller sensibiliser, c'est des préoccupations. Et c'est pour que chaque fois qu'on a l'occasion d'avoir un espace à travers, en tout cas, nos, responsables, les ministères, etc., nous, nous rappelons cela. Il faudrait que les services techniques à la base, qui sont en contact direct avec les éleveurs, aient les moyens de leur mobilité, d'aller vers l'éleveur. Dès qu'il y a une alerte, c'est comme le cas de l'affaire de la vallée de russe le de cette fièvre-là, nous, nous avons, à travers ici, fait informer les ministres, etc., etc. Parce que nous avons seulement les signaux. Nous avons dit les signaux, mais ils sont partis. Donc, il faudrait renforcer les capacités opérationnelles des services techniques à la base, qui sont en contact direct avec les éleveurs. Avant que Niamey n'aille, avant que la région n'aille, les services techniques, eux, sont régulièrement avec les éleveurs. Et ils connaissent les préoccupations des éleveurs. Et ils sont avec les associations des éleveurs n'est-ce pas Ceux-là doivent être renforcés en moyens roulants, en carburant, en agents, en, infrastructure, etc., etc., pour quand même qu'ils mènent convenablement leur mission. Ide Yakuba de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Euh, maintenant, comment faire pour compenser le déficit alimentaire chez les agriculteurs L'État a déjà élaboré un programme de soutien avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Euh, ce dispositif euh, est déjà en marche. Ils ont commencé l'acquisition des, des vivres pour les opérations de vente à prix modéré et distribution gratuite. Je disais aussi, nous allons examiner les dispositions, les mesures pour que les importateurs de céréales, car surtout des pays voisins, ne rencontrent pas des difficultés pour faire entrer les céréales au Niger. Parce que même si l'État achète, on distribue, on vend à prix modéré, ce serait insuffisant. Et qu'en est-il euh, des cultures maraîchères Bon, je, viens. C'est le il faut que nous travaillions pour faciliter l'entrée des denrées alimentaires au Niger, notamment à partir des pays voisins. L'État, en plus du programme de soutien, effectivement a conçu un programme d'appui aux cultures irriguées. Ce programme-là, il est attendu près de 700 000 tonnes en équivalent céréalier sur la base de la mise en valeur de 178 000 hectares. Les 178 000 hectares, qu'est-ce que nous avons développé, nous, actuellement au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage Nous avons priorisé l'introduction des productions céréalières. Il y a le blé, il y a le maïs, il y a le sorgho irrigué. Pour que, avec les cultures maraîchères, les gens puissent tenir jusqu'à faire de la récolte du blé ou du maïs, etc. Ils peuvent échelonner leur production et pouvoir s'alimenter. La deuxième stratégie qu'on a développée, c'est l'introduction de cultures euh, de riz hors aménagement que nous sommes en train de développer, en tout cas au niveau de l'ensemble des régions du Niger, pour que là où on peut avoir de l'eau stagnée euh, qui sera en stagnation pendant deux mois après la campagne, puisse produire suffisamment. Et nous avons fait les textes au niveau de la région de Tel à travers des ONG. À travers des projets, nous, avons, sommes en train de travailler avec euh, Zender. Est-ce que le gouvernement a les moyens de cette politique euh, aujourd'hui L'État, c'est pas c'est comme j'ai dit, j'ai dit l'État seul ne peut pas suffire. Il faut faire intervenir les privés. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que si les privés s'adonnent à la production de riz, nous ne pouvons plus, nous n'allons plus importer du riz. Nous avons testé. Le riz hors aménagement, nous sommes actuellement entre 5 et 6 tonnes hectares. À Dosso, à Tawa, on, est, même parti jusqu'à produire du riz à Tanout. Je ne sais pas si vous connaissez Gangara. Dans un site de Gangara, nous avons qui s'appelle, le village s'appelle Taxit. Nous produisons actuellement du riz. Donc partout, on peut produire. Partout, on peut pallier à l'insuffisance alimentaire à travers l'augmentation de cette production. Parce que les Nigériens sont habitués à, manger des céréales. Les cultures maraîchères, ça, peut engendrer des ressources financières, mais pas suffisamment, parce que vous constatez, vous, connaissez que les prix varient du, de 100 à 1. Aujourd'hui, vous, pouvez vendre votre sac de d'oignons à 100 000 francs. Dans deux ou trois jours ou un mois, ça va chuter jusqu'à 3 000 francs. Moi, je pense que, parce que tout simplement, euh, on n'a pas encore euh, maîtrisé le circuit de mettre sur le marché, de conservation surtout. Parce que quand les gens amènent suffisamment de produits sur le marché, mais c'est normal que les prix tombent. El Al-Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger. Euh, comment faire pour une meilleure prise en charge des visions sanitaires, nutritionnelles euh, du cheptel, rapidement Je pense que, comme ils le font au niveau du ministère de l'Élevage, c'est d'abord de connaître, de le connaître le nombre d'animaux que nous avons. Parce qu'il faut avoir les statistiques, n'est-ce pas Vous avez vous avez également l'évaluation de la campagne pastorale. Vous faites l'évaluation régulièrement. Vous faites l'état de lieu, n'est-ce des, des hypothèses, etc. Et je pense que, euh, comme j'ai dit, le fond, C'est à travers cela qu'on peut faire un bon diagnostic et une bonne prévision. Et je pense qu'à chaque fois que vous faites qu'ils font l'évaluation de la campagne, ils font des recommandations. Ils font des recommandations. Voilà la situation. Si on, voilà ce qu'on doit prendre. En tout cas, les techniciens les techniciens, en tout cas, du, ministère de l'élevage, à travers, en tout cas, les documents que je lis, ils font chaque fois des très, très bonnes recommandations, après analyse de la situation. Maintenant, le reste, c'est le suivi, c'est le politique, etc., etc. Peut-être aussi en fonction de euh, question des moyens, etc. Moi, je vais revenir sur la question par rapport aux efforts faits par l'État. L'État fait des efforts par, quand il va, par exemple, par rapport au, prix modéré, à la vente ciblée, aide sociale, etc., etc. Mais c'est quoi Nous, ce que nous voulons, qu'il y ait une bonne gestion de ces actions-là pour qu'elles puissent profiter aux plus nécessiteux. Parce que quelque part, dans la pratique, il y a, toute, une mafia, permettez-moi les terme, qui se fait. Soit elle est faite même par ceux-là même hein, qui, doivent avoir pitié de l'hiver et qui se disent, moi, représentant de, des populations, parfois, c'est avec eux que se font certaines, certaines choses pour, pour détourner, pour etc moi je pense que l'État doit suivre à travers ces, mécanismes que, ces efforts-là atterrissent chez les plus, les plus nécessités, là où se trouvent, et non chez des personnes qui n'ont pas de besoins. Quelqu'un qui a 1000 têtes, 2000 têtes, etc., c'est lui qui court à travers ses influences ici pour s'arracher aliments bêta, etc. Ce qui est paradoxal. Au moment où il y a un éleveur qui a 2, deux, deux vaches, 4 vaches, cinq, etc., je pense que c'est là où il faut mettre l'accent par rapport à la, bonne gestion de ces aides faites euh, par l'État et qui, a grand frais d'ailleurs. Je rapidement, rapidement. Oui, en fait, effectivement, ce qu'il avait dit, c'est que l'aide doit arriver aux bénéficiaires directs. avec certains partenaires, nous avons pris des dispositions où c'est la distribution électronique qui s'appelle e qu'on a installée actuellement. La seule difficulté peut-être c'est l'identification et le ciblage des gens. Si les gens sont ciblés, il n'y aura aucun problème. Ça va directement parce que c'est à travers une communication électronique qu'on vous dit, vous avez ceci, cela, rendez-vous à tel endroit pour prendre. Donc vraiment, on a pris des dispositions par rapport à ça. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Ide Yakuba de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'élevage. Nous étions également avec euh, El Haj Al-Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger à Kapana. Merci à, nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du Kalangou euh, qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.